Mais malheureusement, malheureusement, de plus en plus, on voit des dérapages. Parce que euh, les enfants dans la rue, les talibés dans la rue, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais je crois que la proportion actuelle devient intolérable. Donc je pense également qu'il faut nécessairement, il faut nécessairement discuter avec, que les acteurs puissent discuter et prendre une décision et une décision qui sera vraiment opérationnelle. Parce qu'il ne sert à rien de légiférer sur une chose qui ne sera pas applicable. Par contre, je salue ce qui se fait présentement. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser les enfants comme ça traîner dans la rue. Il fallait faire quelque chose et heureusement, l'État a entrepris au moins cette chose-là. Tout à fait. Parce que des enfants de 4 ans dans la rue, tôt le matin, parfois il fait froid, euh, ils n'ont pas de chaussures, euh, avec des habits légers. On, sent toute la souffrance et la détresse de ces enfants. Loin, non loin de la RTS, le matin, je ne sais pas si vous avez la possibilité, moi quand j'arrive entre 5h30 et 6h moins, je vous dis, euh, les, transports en commun qui s'arrêtent au point au, à l'échangeur, oui, oui euh, Il y a des enfants qui descendent. Hein. C'est comme des gens qui, viennent travailler. Qui viennent euh, travailler. C'est un quotidien, donc c'est un travail. Pour certains, je dis. Il y en a d'autres quand même qui sont gardés dans des maisons, dans des internats, comme le cas de ce, euh, de, de, ce Dara-là. on a trouvé les enfants en train d'apprendre. Et puis, le maître coranique nous a assuré que les enfants ne sortent pas c'est-à-dire, ils vont pas aller manger, ils sont euh, chez eux. Mais pour lui qui a les moyens, comme il, a, il, a, il a, tenu à, le préciser, il peut garder ses enfants. Maintenant, pour l'autre qui n'a pas les moyens. Moi, je dis que quand vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas la responsabilité d'avoir quand même de garder une centaine d'enfants. C'est-à-dire, également ces parents qui vont confier euh, leurs enfants au maître coranique également et partir et ne plus revenir. Le monsieur n'a pas assez d'argent, vous, vous venez pas à la fin du mois ou au moins une fois tous les trois mois pour donner un montant, une petite somme, parfois du riz, mm. du mille, ils peuvent le faire. Donc je pense qu'ils peuvent encore s'organiser. L'histoire, l'objectif aujourd'hui, c'est de garder les enfants dans la rue. Ce n'est pas qu'ils L'objectif pour nous, <laughs> ce qu'ils apprennent, parce que c'est ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils soient gardés et qu'ils apprennent chez eux. dans le quartier, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas. C'est ça actuellement le combat. Il faut que les Sénégalais le prennent comme ça, au lieu de prendre la question, que ça soit sensible, que ça soit culturel, traditionnel. On est un peu en avance par rapport à ces, ces aspects qui sont importants, il faut le dire, mais l'essentiel, c'est de rester chez soi pour apprendre. C'est ça. Et c'est bien dit. Euh, la chronique enfance euh, avec euh, Jeanne. Je rappelle que vous pouvez réagir encore sur ce sujet sur notre page Facebook. Vos messages nous parviennent ce matin aussi sur Twitter. On les reçoit sur Instagram également. Ou tout simplement, envoyez-nous un petit SMS. Vous tapez quinqueliba suivi de votre message. Vous envoyez le tout au 26 2 61 si vous nous regardez au Sénégal, un peu partout des 14 régions ou au 71 0 71 si vous nous suivez en France. C'est un important que vous puissiez également réagir sur euh, ce euh, sujet que nous abordons. Nous parlons du retrait des enfants de la rue. Merci beaucoup, euh, Jeanne, pour cette chronique qui prend toujours la défense des enfants. Il est 7 h 4 minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. On va passer à la chronique invitée. Et aujourd'hui, on reçoit l'honorable euh, député, je vous le disais, le docteur euh, Amadou Dia, pour nous parler de la Lingère de Saint-Louis. C'est pour cela que, que, vous êtes euh, sur ce plateau. D'ailleurs, vous nous disiez que vous, veniez, vous reveniez d'un voyage de Saint-Louis, justement. Et on va aussi parler un peu de l'avenir de ce club de football qu'on connaît bien, hein, la Lingère de, de Saint-Louis. C'est ça, Alioune Badara. En tout cas, un sujet, qui va faire plaisir à, toute la ville de Saint-Louis, à tous les Saint-Louisiens, à, à, ces grands sambes Et je pense à l'un le, bien nommé euh, Samba Lovekan euh, de l'administration pénitentiaire, un grand supporter de la Ligue de Saint-Louis. <laughs> En tout cas, Président, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand club euh, du football sénégalais, parce que c'est l'une des rares équipes, en tout cas issues des, régions, qui rivalise avec celle de, celle de Dakar et cela date de 1969 à l'issue de cette fusion avec, entre l'espoir et, la Saint-Louisienne. Qu'est-ce qui explique cette longévité, Président Bon, sinon me réjouir de, de notre d'un supporter que je n'attendais pas. Je ne savais pas que Sarah était supporter de la Ligue, parce qu'elle s'est habillée en, jaune bleu, donc aux couleurs de la Ligue. ah oui, <laughs> moi euh, j'aime le foot. Hein, je vraiment, je suis série de foot. Donc ça, vraiment, je m'en réjouis. Je, je, m'en réjouis. Hein, je, ne pouvais pas être... Euh, en tout cas, je, m'en réjouis. Je m'en réjouis. <laughs> C'est une belle spécialité. Non, non, non, moi je suis ah, hein. je, retrace juste il a le, cœur, il a le cœur, ça me Linguère. Je retrace juste il me l'a manifesté depuis son invitation. <laughs> Mais Sarah, avec sa tenue, vraiment, hein, je... Voilà. très bien. Euh, oui, bon, vous l'avez dit, hein, la mhm. Ligue c'est une équipe traditionnelle mhm. euh, qui date de 69 et mhm. même avant 69 parce que c'est la fusion, la Ligue est une fusion entre l'espoir de Saint-Louis et la Saint-Louisienne. Donc, deux clubs qui, datent des années 50. Euh, Donc je pense que, je pense que la Liguère, comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe traditionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que ces équipes traditionnelles sont en train de vivre quelques difficultés. Heureusement, cette année, on dirait que l'hémorragie a été arrêtée parce que la première équipe c'est euh, l'équipe championne, c'est Gorée, une équipe traditionnelle. La deuxième équipe, c'est le Giraffe, une équipe traditionnelle. La troisième, peut-être, c'est Djambar, qui n'est pas une équipe traditionnelle, mais une autre équipe traditionnelle revient, à savoir la Lingère à la quatrième place du championnat. Donc je dis quand même que sur, le, peloton de tête, les quatre équipes, euh, les quatre équipes euh, on a au moins les trois qui sont des équipes traditionnelles. Alors, euh, Président, en tout cas, la, saison de, football vient d'être bouclée. On sait que la Lingère est passée tout près du sacre. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous donnez à votre saison Bon, un bilan quand même de satisfaction. Hein. Bon, je mhm. dis que franchement, par rapport à ce qu'on attendait, mhm. on a vu plus. Mhm. On n'est pas champion. Mais euh, il faut dire qu'une équipe euh, qui vient pratiquement à trois semaines du démarrage du championnat ne pouvait pas s'attendre à mieux. Euh, j'ai été élu à trois semaines, trois semaines avant le début du championnat. Donc il fallait bouleverser beaucoup de choses, il fallait changer trop de choses, mais il fallait également mettre beaucoup de choses en place. Vous n'ignorez pas qu'on a fait une première phase très difficile. À la dernière journée donc, euh, de la phase allez donc la 13e journée, la ligne était classée dernière. Elle était 14e sur 14 équipes. Donc il fallait tout faire pour, en tout cas, renverser la situation, ce qu'on a fait en a quand même quelques dispositifs. Du, 109 avec le changement de, en tout cas de, technicien à la tête de, l'équipe, est-ce que cela n'a pas tardé à, être opéré Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que juste avec ce changement-là, avec l'arrivée d'un nouveau coach, quand même, les résultats sont, à, nouveau ont été beaucoup plus meilleurs que lors de la première phase du, championnat. Pourquoi vous avez tardé à, à réagir, à opérer ce changement-là Bon, je disais tantôt que je suis venu à trois semaines du coup d'envoi du championnat. Mais vous étiez au, début du, championnat euh, trois, trois, semaines avant le championnat, donc euh, <laughs> il fallait... Il y avait une équipe qui était là, il y avait un, staff technique qui était là, qui avait quand même terminé la saison, l'autre saison, bon... Mm. de façon vraiment acceptable. Mm-hmm. Donc on avait pensé qu'on pouvait, pouvait laisser à mm. ces gens-là, mm. euh, on pouvait leur donner la chance de continuer. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés sur le plan organisationnel, sur le plan technique, sur le plan résultat, on était obligé d'aller chercher autre chose. Bon, Dieu a fait qu'on a osé aller en France, fouiller et trouver des partenaires. C'est ce qui nous a permis d'avoir euh, l'entraîneur Abdou Dilali qui est venu avec nous, qui a fait la deuxième phase avec nous, mais vraiment qui nous a donné beaucoup de, beaucoup de satisfaction. Beaucoup de, satisfaction. Voilà, du point de vue organisationnel et du point de vue résultat aussi. Ok, mais du point de vue des, résultats, quand même, les Samba Linger restent constamment sur le fin, parce qu'on se souvient que depuis le premier sac à l'issue du premier championnat professionnel, euh, l'équipe court derrière un, nouveau titre, même si quand même dans l'armoire de, la Linger, il y a quand même quatre trophées euh, nationaux, quatre coupes du, Sénégal. Depuis, plus de, sacre. Qu'est-ce qui explique un peu cette traversée du désert pour un club aussi emblématique Est-ce qu'il ne faudrait pas opérer des changements vraiment profonds pour que la Ligue 1 puisse enfin goûter à nouveau au délice d'un sacre Oui, vous l'avez dit, bon, en 2009, avec le démarrage du championnat euh, de, la Ligue Pro, la Ligue était championne. Donc, euh, on a bien démarré la Ligue Pro. Après, c'était vraiment un passage à vide parce que c'était entre la 8e et 9e place. 8e, 9e place. pour qui connaît le football sénégalais, ce n'était pas la place de la Linguerre. Mais les gens ont tout fait, ils ont beaucoup travaillé. le problème de la Linguerre, c'était d'abord de pouvoir retenir ces bons joueurs, mais également de faire venir de grands joueurs. Si on joue un championnat, généralement, les équipes un peu plus nantis que la Linguerre, regardaient les meilleurs à la fin de la saison, il leur proposait quelque chose et puis ils partaient. C'est de bonne guerre, hein Mais c'est normal. Actuellement, c'est ce qu'on est en train d'inverser. Maintenant, nous, ce que nous voulons, nous regardons ceux qui sont ailleurs pour les faire venir à la 1. Parce que ça se faisait dans les années 70. Vous avez vu que euh, Léopold Diop, le grand Léopold Diop, euh, Mansour VI, euh, même Sega sont venus jouer à Saint-Louis. Donc je pense que à l'époque, les grands joueurs quittaient Dakar pour venir jouer à Saint-Louis. Donc je pense que c'est cette tendance-là qu'on voudrait faire. Et c'est possible, c'est possible pour la simple raison qu'on est en train de réorganiser le club, de mettre de, nouveaux dispositifs qui nous permettront quand même de, pouvoir euh, faire de la Ligue une équipe attractive et certainement, peut-être ces, nouveaux dispositifs en question, peut-être sortiront de ces 72 heures organisées par la Ligue de saint Saint-Luc, qui réfléchit ainsi sur son, sur son euh, avenir. Euh, quel est un peu le programme de ces 72 heures-là de la Ligue de Saint-Denis Saint-Luc Voilà, je pense que c'est une idée. Bon, là, je, je, félicite vraiment l'équipe euh, qui nous a précédés, parce que les 72 heures ont été initiées l'année dernière. Et vraiment, c'était une grande réussite. C'était vraiment une belle occasion de réunir tous les Saint-Louisiens, surtout ceux qui ont fait la lumière d'hier. Donc je pense que ça, c'était vraiment, une belle idée. On a dit que on ne jette pas des acquis. Et comme c'était des acquis, on sait que cette année, c'était très dur, mais nous nous sommes dit quand même qu'il faut forcément reprendre ces 72 heures malgré un calendrier trop chargé. Vous me parlez du programme, mais je l'ai eu que hier nuit. Et, et, sur, parce que, bon, vous n'irez pas que j'étais absent du ah. Sénégal ces, deux derniers jours. Uh-huh. donc, mais il y a une équipe dynamique uh-huh. qui a travaillé autour de ça. Et je, félicite vraiment euh, le professeur Bouba Diop, qui est un vice-président de la Linguère, Bouba du Congat, mais également le doyen Bachili, qui est un, de vous. Du, euh, voilà, du Sesti, un, de vous. Vraiment, qui ont fait un travail énorme, mhm. avec bien sûr, en rapport bien sûr avec euh, mhm. mes collaborateurs, le bureau de Saint-Louis. Mhm. Bon, ceci nous a permis vraiment d'organiser. De, Mais j'étais très, très, très sceptique pour l'organisation de cette... Euh, parce que je m'étais dit que, bon, vu le cas... Mais on y tenait et vraiment, on a réussi à, l'organiser. Alors, euh, Président, depuis que vous avez pris les rênes de, de l'équipe, avez-vous senti le soutien, l'implication de ces enfants de la Ligue Je pense à l'un d'eux, le plus célèbre, certainement peut-être vous pouvez terminer ma phrase, <laughs> est-ce que vous sentez, euh, par exemple, le soutien d'un enfant de la ligue, comme lui, euh, pour mieux faire euh, développer l'équipe J'ai essayé cette année, mais je n'ai pas, pas pu le réussir. Mm-hmm. Quand même, à sa décharge, il m'avait donné son numéro et je devais l'appeler pour l'impliquer. Mm-hmm. Mais je pense que cette année, on a cas, Parce que j'ai toujours dit mm-hmm. que la Ligue a besoin de l'image de El Un joueur qui a été formé à la Lignière, qui a quitté la Lignière pour aller en France, qui est devenu vraiment une perle en Afrique. Je pense qu'on ne peut pas cracher sur un, sur, un joueur pareil. Donc on a besoin de son image et on fera tout. Et je suis même en train de voir s'il ne va pas présider le premier match de la Lignière à Saint-Louis cette année. Très bien, ah, pourquoi Parce que ça va être un grand moment alors pourquoi à Saint-Louis <laughs> pour le début en tout de l'idée est belle. Hein. Merci beaucoup, euh, docteur Amadou euh, Dia. Je rappelle que vous êtes euh, député et que vous êtes venu notamment nous parler des 72 heures de Saint-Louis ou de la Ligue si vous préférez. Les 72 heures qui démarquent aujourd'hui, demain, ça démarquant les festivités Bon, les 72 heures, en principe, euh, démarrent aujourd'hui. Euh, d'accord. ouais, Donc la fête démarre euh, aujourd'hui. Mhm. C'est bien, vous, vous, allez nous donner le programme avant la <laughs> fin de, ce magazine. vous qui faites la navette généralement entre Saint-Louis et, mhm. Dakar, mhm. dites-moi, le meilleur Tchéboujen, c'est à Dakar ou c'est à bah, Saint-Louis <laughs> Allez-y, bon. <laughs> bon, je serai hein. neutre, je, je laisse le soin à... Non, ah, non, non, ça, il n'y a, même pas de débat. Hein, Vraiment, hein. <laughs> le ceebu a son son origine et ouais, ouais, il reste toujours là où il Là, où il est né. De même que le bon goût, hein, l'image du président. Non, je m'en Il y en a mis au couleurs de la Ligue. <laughs> Tafa, tu l'as déjà goûté le chef de Saint-Louis à Saint-Louis. Il est, il est bon, hein Oui, oui, c'est le meilleur euh, Non, le meilleur, c'est chez moi. Où, ça, Chez moi, chez moi, chez, moi. Chez moi, c'est chez, Avec madame. Ah. Elle est saint louisienne alors <laughs> Non, elle n'est pas. <laughs> oui, elle est du Wallo. Ah, donc elle est saint louisienne ah. <laughs> Jeanne Oui, j'ai goûté. J'ai goûté euh, dans le cadre des missions qu'on a mm. effectuées à Saint-Louis. Mm-hmm. Mais j'aurais retenu quand même un tchébudjen très naturel. Mm-hmm. C'est ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mm-hmm. choses qui s'invitent dans notre tchébudjen. Mais à Saint-Louis, quand même, le thé est très bon et très naturel. Moi, j'aurais gardé quand même l'aspect naturel. Belle précision, Monsieur Mandy. Oui, Saint-Louis a toujours été mon, ma ville de rêve. J'ai eu la chance de, de faire sa découverte euh, à travers un festival de Rapanda. Mm. Voilà, donc euh, on nous a présenté ce, beau plat et puis euh, ça a été. Très bien. Bon, voilà qui, euh, qui coupe la, poire en deux, en tout cas qui classe le débat. Pour Tafa, c'est chez lui. <laughs> Non, non, <laughs> ça ne coupe, pas la poire. Euh. non, non, du tout. Bah, pour Tafa, c'est chez lui. Il nous a finalement, avoué que madame, est originaire du Wallo. Et quand on le Wallo, c'est lui au cœur du Wallo. Donc c'est toujours saint Alors, à l'unisson, on est tous d'accord. Donc c'est lui l'emporte, hein. <laughs> à l'unanimité. Voilà. Allez, on va maintenant à Rio de Janeiro pour les les échos de Rio et c'est avec Abdulaziz Ban que nous retrouvons donc euh, là-bas, vous le savez, hein, sur la Bonjour Et rendez-vous quotidien. Et c'est parti, c'est parti. Allez, on l'écoute. Rio de Janeiro, aujourd'hui, on vous a concocté un programme. On va vous déjà vous parler du nageur sénégalais Abdul Karim Baïna qui a disputé hier sa première sortie. Il a été premier de sa série, mais malheureusement pour lui, son temps de 23 66 a été trop court pour lui, pour lui permettre de se qualifier pour les demi-finales. Nous l'avons interviewé juste après sa course. Euh, je suis vraiment très content d'avoir gagné ma série. Je suis quand même un peu loin de mon record du Sénégal 23-49, qui était mon objectif. Et là, j'ai fait 23-66, qui est aussi mon meilleur temps dans l'année. Donc, oh, je suis vraiment satisfait. Et en plus de ça, je gagne ma série. Donc, oh je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Moi personnellement, les Jeux Olympiques c'était pas mon objectif cette année, mais notre vrai objectif, nous, la natation sénégalaise, c'est les championnats d'Afrique au mois d'octobre en Afrique du Sud, en essayant moi personnellement rapporter mon ma première médaille niveau africain et on aura aussi une équipe de relais J'espère que le ministère va nous aider à partir à 4 ou même 6. Comme ça, notre relais pourrait aussi être médaillé. Les Lions du basket aussi, trois défaites en autant de sorties. Mais dans ce match contre le Canada, les Lions ont montré un autre visage qui a valu beaucoup plus de satisfaction au sélectionneur Moustapha Gaïk. Beaucoup de mieux, beaucoup de mieux, surtout en défense. Parce que euh, on est, est en progression et c'est ça que j'attends de mon équipe par rapport à ce tournoi que l'équipe puisse s'améliorer euh, de match en match pour qu'on puisse avoir un gain à la fin du tournoi. L'objectif de, ces jeux, c'est de permettre à l'équipe de s'aguerrir, de s'améliorer, euh, de durcir son jeu pour l'afro-basket. Donc on est, on est dans la logique et je pense que je suis très très content de leur réaction ce soir. Alors le seul médaille olympique côté sénégalais, l'âge Amadou Djaba, il est à Rio de Janeiro. Nous l'avons rencontré dans les rues de Rio de Janeiro. Il doit être satisfait d'être là, de représenter son pays, de venir participer à ces Jeux olympiques. Euh, ça me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de bons souvenirs. Donc euh, j'ai fait trois Jeux olympiques. Et donc euh, Dieu a fait que j'ai une médaille d'argent à, Séoul en 88, ça fait 28 ans. Donc je pense que c'est un réel plaisir d'être à Rio, vraiment avec des, des souvenirs immenses, voilà, en quelque sorte. C'est sur cet élément de Elage Amoudou Diaba que nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure à Dakar. Vous êtes devant votre tasse de Kenkeliba. Ici au Brésil, à Rio, nous sommes devant notre tasse de Kenkeliba Made in Brésil. On l'appelle ici Tcha. Tout en vous donnant rendez-vous demain, Inch'Allah. Bon, je fais comme toi, Abdulaziz. Tu nous feras goûter cela. Je ne sais pas comment tu vas faire. Hein, le, le on l'appelle le tcha. Le, local euh, Rio. Ça doit être du thé, je suppose, un peu comme, peut -être, euh, peut -être. Un peu comme le quinquilibre. Bon. pas mieux, pas mieux. Parce que la sauce locale, elle est toujours meilleure. Hein. On va garder ça comme ça. Allez, euh, je vous rappelle que désormais, tous les jours, vous aurez droit à ces échos de Rio. Et ce sera donc en direct avec Abdulaziz Ban. On va souffler un tout petit peu en musique. Le clip du jour, c'est maintenant. On reviendra pour le journal. N'oubliez pas la chronique culture urbaine avec Tafa, la chronique culture avec Anta qui nous rejoindra également. Et puis, Sounoukhel, nous en parlerons avec notre deuxième invité. A tout de suite. ni mamelie no ko waral dal ci senegal de gay ne jay moy sunu gal ci ñu ñu ma bëssine

te fai tunda bagana à gaynde njaay du mooy sunu gaal ak junjung ñi cësin ni dëkkal ma bësin bon junjung ñi cësin gunge ma bësin bëgg naa c'était le clip du jour et avec beaucoup d'émotion, on regarde toujours ce duo, Youssoundour et Mbaye un duo qui défie le temps. Ça fait des années qu'ils sont ensemble et puis ça continue. C'est rare quand même de voir euh, un, duo. C'est vrai qu'ils ne chantent pas véritablement en duo tout le temps, mais Mbaye et Youssoundour, c'est même plus que des frères finalement. Au-delà des liens, des liens professionnels, comme vous l'avez si bien dit, euh, c'est des frères déjà c'est des amis, c'est une amitié qui, défie le temps, qui, et, qui, voilà, qui a à perdurer. Parce que tout simplement, ils ont fait leur gamme ensemble, ici dans les rues de la, de la Médina, très jeunes. Et on se souvient tous de cette anecdote que raconte bien souvent Baye quand il s'est agi euh, un jour de rallier la Gambie. Il n'avait presque aucun sou en, poche. Ils ont été obligés, lui, il a, vendu quand même une, paire de chaussures pour pouvoir s'offrir juste le, trajet avec, euh, avec Youssou Ndour. Donc c'est vous dire tout simplement les liens très forts – Qui lit et, voilà. et D'ailleurs, Mbaye il faudra qu'on l'invite aussi sur ce plateau et même Youssoundour. même Baye. il faut qu'il nous donne son secret. Enfin, tu as remarqué qu'il était toujours aussi jeune et peut-être même plus. Oui, toujours, toujours jeune baye. Ah, on ne lui donne même pas son âge. C'est ça. Ah, on dirait qu'il ne change pas. Le, <laughs> temps n'agit pas sur lui, n'est-ce pas, Jeanne On a l'impression que le temps, c'est le, sport. Lui et l'autre chanteur là. ça Qui ça euh, le, père à Nicolas. Ah, Idrissa Diop Idrissa Diop aussi. Il, reste tout jeune et on dirait que le temps passe, mais qu'il ne change absolument pas. Et c'est bien. On a besoin du, du secret. <laughs> C'est important. Mais ils sont consommés sur scène. quand on est sur scène, voilà, on se donne à fond et quelque part, c'est un peu de, de, de, de Bon, il y en a d'autres aussi. Hein. physique qu'on fait. Hein. Mais qui vieillissent quand même. Hein, bon. <laughs> <laughs> bon, allez, on tourne la parenthèse, on la, on la ferme plutôt. Et puis, on fait un, un petit coucou à nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous écrire. Euh, je vais lire rapidement quelques messages avec Ibrahima Sao qui nous souhaite un bon vendredi à nous tous sur le plateau et à nos invités également. Tierno Amidouja qui nous écrit depuis Luanda en Angola, qui salue également toute l'équipe de la matinale, qui dit euh, bon week-end à vous, One Love à Kinkeliba, euh, ma matinale préférée. Voilà. Et puis message également de Aboum qui nous invite à Maji, Funeb qui organise un tournoi de football on est tous invités à y aller. Hein. Funebe, pas Funebe. Merci, Marc <laughs> Allez, on poursuit avec Biran Diatta qui dit bonjour. Euh, ça, c'est une question qui est adressée à Amadou. Il y répondra certainement la semaine prochaine, jeudi, lors de, son, euh, de sa chronique, j'allais dire. Pouvez-vous me donner trois noms de logiciels espions Moi, non, mais Amadou, si, et il y répondra, je vous le promets. On va maintenant passer à la chronique culture urbaine avec Tafa, le temps que René soit prêt pour le journal. Allez, viens, Tafa. Viens me rejoindre. On va voir euh, ce que nos amis de la culture urbaine ont pour nous aujourd'hui, ou en tout cas ce que tu as prévu de faire aujourd'hui avec nous. – Je vais parler. Bonjour d'abord. Oui, rebonjour. Rebonjour. <laughs> Je vais parler du concours Science Slam. Donc aujourd'hui, on va parler de, slam, on va parler de poésie. Vous savez que le God Institute organise euh, pour la première fois euh, un concours qui s'appelle Science, Slam, qui a réuni beaucoup, beaucoup de slameurs. Et voilà, il y a eu un vainqueur, donc euh, avec euh, la, participation de beaucoup de poètes. Hein, parce que moi, je dis que quand, on parle de slam, on parle aussi de, on parle aussi de poésie. De poésie parce que là-bas, on a, on a des mots qui s'échangent. On a, par exemple, des textes. On écrit bien, on parle bien. Donc là-bas, on retrouve souvent que des rhéteurs. Donc on va suivre sous ces images euh, déjà la présentation des candidats. Bonjour à tous, c'est Kemit, artiste slammer. C'est moi le coordinateur des ateliers sciences slam ici à Dakar. Bonjour, je euh, Joseph Mendy, candidat pour le concours Science euh, sciences slam. Je m'appelle Oumar Ndiaye, c'est un vrai plaisir de participer à cette compétition de sciences slam. Bonjour, mon nom c'est Trinité Kainen Diata. C'est avec un immense plaisir que je prends part à cette science de slam de mon pour apporter ma flamme. On a débuté par un appel à candidature et au sortir de cet appel, on a retenu certaines candidatures. Ensuite, on a, pu, on a organisé des ateliers durant deux semaines. On avait un nombre de candidats euh, et des thèmes assez intéressants, mais au fil, du temps, il y a des candidats qui se sont désistés pour des, raisons indépendantes. Il y a un qui était gravement malade, euh, qui avait un sujet très intéressant. Il y a un autre euh, qui a, qui, a dû se déplacer, changer de ville pour des raisons professionnelles. Mais voilà quoi. Donc là, on a, on a pu travailler avec certains candidats et, on a un contenu satisfaisant. Donc on espère que demain, le, résultat sera à la hauteur de nos attentes. Mais euh, voilà j'espère que ce sera bien. On vous invite tous. Le slam, désormais beaucoup plus connu, euh, beaucoup plus pratiqué également ici en ce qui concerne euh, le milieu hip-hop, il y a de plus en plus d'artistes qui se tournent vers cela. Oui, beaucoup plus de slam parce qu'en slam, on n'a pas besoin d'accessoires, on n'a pas besoin de, de, musique, on a juste besoin, par exemple, d'écrire, d'avoir des mots, euh, d'échanger. On a juste besoin de trois minutes de, de, performance parce que c'est au niveau de Goth Institute qui a eu à organiser euh, ce concours euh, que l'on appelle aussi euh, Science Slam. Donc c'était le cas. Donc il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là-bas présents. Après, on a sélectionné juste, juste cinq jeunes, cinq jeunes slameurs pour pouvoir euh, conquérir. Et puis le résultat, après, il y a eu le résultat et qui a été remporté par un jeune, un jeune qui s'appelle un certain M. Mendy, qu'on va regarder ici sur ces images. dire qu'on va faire un petit concours euh, après l'élément, évidemment. Comme ça, je laisse le temps à tout le monde de réfléchir un, peu. Alioune Badarakan, euh, sujet libre. Hein tu nous, tu nous écris deux, rimes, on va dire ça comme ça, de poèmes. <laughs> sujet libre hein, que tu vas dire tout à l'heure. Jeanne, on reste dans ton sujet, enfance <laughs> euh, honorable. <laughs> sur la lingueur de Salmi. Monsieur Mandy, sur la culture, parce que vous venez nous parler de Sounoukhel, c'est un projet qui va aider les artistes, donc deux lignes. Euh, je ne peux pas être jugé partisan. Non, mais attends. Non, non, je suis là pour présenter ça. Tu non, pas juger. C'est hein. moi qui juge. Esquive facile. Non, non, toi, trop facile. tu vas euh, Soit dans la culture urbaine, c'est bien <laughs> pour toi. Voilà, exactement. Allez, on regarde l'élément. Souffrance, pourquoi s'acharner Bienvenue à la grande finale du concours Sciences Lab. Sciences Lab est une plateforme qui offre l'opportunité aux scientifiques de développer leur univers de manière artistique l'événement saint Islam, donc c'est la première édition pour le Sénégal, qui compte donc se tenir euh, tous les ans. Le manteau d'emprunt de cette scène théâtrale crée la vie oublie très souvent de faire triompher la dignité de l'esprit. L'ombre n'est qu'un reflet de soi, dans cette paisible ou pénible existence qui peine à nous laisser le choix, destinée à nous faire relever ses défis, car c'est au fond des yeux des autres qu'on peut voir ses propres défauts on n'a reçu aucun profit du paraître. On va devoir s'unir pour s'élever ou être condamné à disparaître, à condition qu'on se souvienne que même le tiers-monde fait partie du monde entier, car chaque être est une pièce maîtresse de ce puzzle qui constitue l'humanité. immense, terre remplie de cases aux parcelles immenses, frappée par une multitude de violences, mais malgré tout, elle conserve son attirance et sa population garde sa tolérance. Vous présenter notre travail de recherche en sciences de l'information et pour le diplôme de master. Et d'une manière libre, sans papier, sans discours, etc. Le continent souffre depuis des décennies. La science ne voulait en mettre avec des remèdes inefficaces. Il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi l'Afrique est en retard À cause de la malnutrition ou à l'heure de son réveil, il est déjà trop tard. Voilà le classement que vous avez donné. Bon, je commence par Thomas qui est classé troisième. Ensuite, vient Trinity, qui est classé deuxième. Et celui que vous avez mis en première position, c'est Joseph Mendy. Voilà, ce magnifique cartable qui est rempli de choses. Voilà, du bon institut. Du très beau, très beau on a beaucoup aimé. Voilà, c'est petit mot. Ouais, et ça fait plaisir de déjà remporter le concours. Voilà, Voilà, et on découvre donc sur ces images. Joseph Mandi, lauréat donc de ce concours de slam organisé au Goethe Institute. Tafa oui. On fait le petit tour, ah, ensuite tu fais ton, petit mot de fin Oui, oui. Très bien. On, peut, démarrer par Madara Madarakan. Lui, euh, je ne suis pas... Vas-y, Alun Madara. Euh, euh, un petit slam. Oui. Deux rimes. Hein. Oui. Saha, soleil de Kinkeliba. <laughs> <laughs> Il y a S qui, qui, est revenu deux fois. Jeanne Tout le monde regarde. Bien, compl... bien, bien, trouvé. Compliqué la suite. vers toi finalement. finalement. bon, allez. Alors moi, je vais faire plus simple dans mon, dans mon secteur. Euh, je dirais euh, quoi euh, Libérer ces enfants enchaînés, leur devenir notre avenir. Ouais. super. La lingueur de Saint-Louis qui s'invite. Euh, bon. Je vais passer. <laughs> acceptez. Non, mais laissez Non, acceptez. <laughs> Allez-y, monsieur Mandy. La rue pas pour enfance, ne pas traiter en souffrance ah. ah, super. Tafa, <laughs> Acha. Nous comme honorable de passer. – Finalement, je porte le bonnet d'âme. C'est la solution. <laughs> Donc, je suis l'avant-dernier le ah de la classe. Ah, bon, d'accord. Allez, euh, merci beaucoup, euh, Tafa, pour, finir. Pour toi aussi. Ah non, moi, euh, j'avais juste deux phrases à, partager comme ça avec vous. L'éducation est l'arme la plus puissante pourquoi euh, Qu'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ce monde, ce monde qui a besoin de courage. Le courage qui n'est pas l'absence de peur, mais la force de la vaincre. Ah c'est bon. Bravo. Plus ou moins. Allez, Tafa, pour finir. <laughs> Pour finir, juste, on a, besoin de ces, scènes là hein, de, slam. Donc, euh, il faut juste encourager le Goethe Institute pour avoir initié euh, ce concours de science slam. Mm. C'est un concours de science slam qui a eu à réunir euh, beaucoup de poètes, qui a eu à réunir beaucoup de jeunes. Donc, une chose à encourager. Et puis, vivement que que cela se, se renouvelle pour l'année prochaine. Très bien, voilà. Euh, René Léon qui est en train de faire le tour pour, pour nous rejoindre. Merci René. Merci. Voilà, pour les titres. On est vendredi et ça se sent hein, avec, euh, avec On est au taquet vraiment. Ah ouais, c'est ça. Euh, on, était en train, on, était en train, de concocter le menu de ce vendredi. Hein. Très bien, on va le prendre ainsi. Merci beaucoup Tafa pour la chronique culture urbaine de ce vendredi. Merci Merci beaucoup à, Jeanne également. Anta prend ta place dans un instant pour sa chronique culture. Avant d'en arriver là, eh bien, on passe au journal avec René Léon. Voici les titres de cette édition. Refonte partielle des listes électorales. Les députés adoptent la loi. Et puis la nouvelle présidente de l'OFNAC a également prêté serment. Les images et le compte-rendu dans cette édition. Enfin, la rubrique économie de ce jour fait un focus sur l'économie rurale. Dans cette édition également, l'actualité des Jeux Olympiques. René c'est à toi. Tout à fait, Sarah, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de l'adoption hier à l'hémicycle de la loi sur la refonte partielle des listes électorales. Les débats ont porté sur l'opportunité d'une telle loi et la carte d'identité biométrique dans l'espace CDAO. Pour le ministre de l'Intérieur, cette révision est transparente et inclusive. L'opposition parle, elle, de désaccord. On voit tout cela avec Tierna aussi. Cette séance plénière porte sur le projet de loi numéro 21 2016. Pour le ministre de l'Intérieur, il vise le renforcement de la démocratie, la fiabilité et la transparence des élections au Sénégal. Et le débat